gannaaw campagne agricole bu metti boo xam ne dañu dund ay jafe-jafe baykatu ceeb yi nekk ci wala bi lëkkaloo ak ñi nga xam ne acteurs yi bokk ci filière yi ñoom nag amal nañu ab taxaw seetlu ci li nga xam ne moom la ñuy dund Mamadou Diallo mooy président périmètre autogéré bu Dagana. mu nekk loo xam ne lu am solo la. parce que soo xoolee tey dans la vallée département Dagana union hydraulique yëpp du am jafe-jafe ci affaire mbéy mi banque bi parce que xool nañu actuellement tant que producteurs yi yëpp delluwuñ ci banque bi liggéey ak moom jafe-jafe day am rek parce que mooy lu tax parce que banque crédit agricole la ñuy wax parce que béykat yi tant que du béy te di liggéey ak banque bi xool nañu la ñuy gën am revenu su fekkee béykat bi day béy ak keneen condition la koy béyalee. loolu sax tax na SFA ak partenaire belge bi ñuy wax Ricolto ànd ci ak DRDR SAED ak geneen structure yu bokk ci mbirum banque ñu daal di waxtaan lëkkaloo seen xalaat ngir mën a yegg ci ay résultats yu mucc ay président bu bees bi ñu ngi koy accueillir ak bras ouvert beneen bi tam ñu ngay ñaan président bi. vraiment ci affaire picc sonna nañ ci lol lol lol lool. et président ñu koy ñaan su togué bala muy dem fenn ak fenn. réinvité nañ ko dans la vallée du fleuve Sénégal. ndaje mi taxna sax euh, yaakar delu ci wat ci baykatu ci bi nga xam ñu nek ci vallée bi ñom nak seen yene moy autorité gouvernementale yu bees yi bàyyi leen xel bu baax rawti na lepp lu jëm ci secteur agricole. Après une campagne agricole marquée par de nombreuses difficultés, les producteurs de riz de la vallée, renforcés par des acteurs de la filière, ont fait un diagnostic de la situation. Hassan Kofi est le docteur général de la Société sénégalaise filière alimentaire. Pour démarrer cette nouvelle campagne 2024, il était important de faire un point, de faire un bilan, de comprendre exactement ce qui s'est passé durant la campagne 2023 et comment est-ce qu'on peut apporter des solutions, agir en tant que facilitateur auprès de la banque agricole, auprès euh, de la Caisse nationale d'assurance. Et c'est dans cet objectif que la SCFA, le partenaire belge Ricolto, la DRDR, la SAET et d'autres structures bancaires ont décidé de fédérer leurs efforts pour des résultats probants. Et pour cela, il est important que les nouvelles autorités puissent nous accompagner, puissent aider les producteurs aujourd'hui à avoir tout le potentiel afin de pouvoir produire d'une manière massive. Également aussi, toute cette production est destinée à être transformée. Et qui va les transformer, ce sont nous les riziers. Et donc il est important aujourd'hui que l'État puisse également aussi aider les riziers. Une rencontre qui laisse entrevoir un espoir pour les producteurs de riz de la vallée. Il demande seulement aux nouvelles autorités gouvernementales de faire du secteur agricole une priorité.